Toute la louange est à Allah, Seigneur du monde, Créateur des cieux et de la terre. Grâce à lui, pour ses bienfaits, à nous, nous demandons sa paix et sa bénédiction pour notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, recevez mes belles salutations qui vous apportent la paix, la bénédiction d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum). Je suis très ravi de vous rencontrer dans ce, dans ce numéro 3 de notre émission sur l'éducation des enfants. Donc, Inch'Allah, dans ce numéro, nous allons parler sur ce que nous devons faire avec euh, le nouveau-né comme recommandation prophétique et recommandation des savants ce que nous devons faire pour le nouveau-né. Comme nous savons que l'éducation en islam n'est pas seule l'enfant qui a grandi, mais c'est une éducation qui commence dès l'avant la naissance de l'enfant. Donc, euh, dans les deux numéros précédents, nous avons parlé sur ce que nous devons faire avant la naissance d'un enfant. Donc aujourd'hui, nous nous demandons quelles sont les recommandations que l'islam nous recommande à faire comme l'éducation de nos enfants dans les premiers jours de la naissance de l'enfant. Vraiment, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de choses que les parents doivent faire pour le nouveau-né. Nous allons souligner ici quatre choses que nous devons faire pour le nouveau-né. Donc, premièrement, ce que nous devons faire pour le nouveau-né, c'est le fait de faire, c'est le fait de faire al-azan, l'appel à la prière, à l'oreille droite du nouveau-né et faire al-iqama, l'appel à l'exécution de la prière à l'oreille gauche. C'est-à-dire quoi on a trouvé un c'est recommandé que le père ou la mère ou n'importe quelle personne qui peut faire hasard doit faire hasard à l'oreille droite de l'enfant et faire al-iqama, l'appel à l'exécution de la salade à l'oreille gauche. Vraiment, cette action-là, ce n'est pas une recommandation du prophète, salam, mais plutôt, c'est une recommandation des savants. Pourquoi je dis comme ça C'est vrai qu'il y a des hadiths qui nous montrent cela, mais ce sont des hadiths faibles. Ce ne, ce ne sont pas des hadiths qui sont authentiques. Mais comme ce sont des hadiths qui nous montrent des bienfaisances, des excellences, on peut les utiliser. Parce que les hadiths parlent sur la foi ou les adorations, ces hadiths-là, on ne l'utilise pas. Mais les hadiths qui parlent, qui nous montrent des bonnes choses, là, on peut les utiliser. Donc, nous disons ici que les savants nous recommandent de faire azala et al-iqamala lors de la naissance de l'enfant. Mais il y a quel avantage dans ça Vraiment, les savants nous montrent que c'est bien que les mots du tawhid soient les premiers mots que l'enfant va attendre après sa naissance. C'est-à-dire, lorsque un enfant vient au monde et attend Allahu akbar, Allahu akbar. Teb la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Allah Allahu akbar. Teb qad qamati salat. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. Donc, si le nouveau-né vient au monde et les premiers mots qu'il attend, soit ces mots-là, vraiment, bon, c'est une bénédiction pour le, pour le nouveau-né. C'est pour cela que beaucoup de savants nous recommandent de faire cette action-là. Qu'Allah nous aide tous. Donc voilà la première recommandation. La deuxième recommandation que nous devons faire pour le nouveau-né, c'est quoi C'est ce qu'on appelle en arabe at-tahnik. c'est quoi C'est le fait de mâcher un morceau de la date, puis le faire passer dans la bouche du nouveau-né. C'est-à-dire, at-tahnik, c'est le fait d'amener une date d'or, les casser et faire mâcher avec tes dents. Puis tu le fais ressortir et le mettre dans la bouche des nouveaux nés et le frotter. Puis tu demandes la bénédiction d'Allah pour ces nouveaux nés Si le père même peut faire ça, il n'a qu'à faire. S'il ne peut pas, ça pose un problème qu'il apporte l'enfant là à un savant ou à un cheikh qui est pieux, qui est vertueux, pour lui demander de faire cette technique là et invoquer la bénédiction d'Allah pour le nouveau-né. Ici, notre preuve ici, c'est quoi C'est un hadith du prophète salam qui a été rapporté par Abu Musa al-Ash'ari. Donc Abu Musa al-Ash'ari a dit que lui a gagné un bébé, il l'a porté au prophète salam donc le prophète salam a pris le nouveau-né, donc il a fait le technique. C'est-à-dire il a, a pris la date, l'a mâché et l'a frotté sur les dents ou sur la bouche du nouveau-né. Puis invoquer la bénédiction d'Allah pour ce nouveau-né et lui donner le nom Ibrahim. C'est pour cela, c'est devenu comme une sunna pour nous, pour euh, faire ce qu'on appelle la technique Là. Vraiment, le tahnik là a beaucoup d'avantages pour le nouveau-né. Parmi ces avantages, euh, à vraiment, c'est un soin préventif pour le nouveau-né. Pourquoi Parce que souvent, le nouveau-né a l'insuffisance du sucre dans son sein alors que la date contient une grande quantité de la sucre glucose. Donc, notamment la date qui est mâchée. Donc, quand on donne le nouveau ces dates-là, vraiment, ça augmente le sucre dans son sang. Donc, voilà euh, une grande bénédiction pour le nouveau-né. Aussi, euh, le tahnik, là, est une protection pour le nouveau-né contre beaucoup de maladies. Parce que le nouveau-né, souvent, il a l'insuffisance, ou, aussi, bon, souvent, euh, il peut tomber dans l'abaissement euh, de la température sur son corps. Donc, euh, le sucre glucose là, peut élever son température, sa température. Parce que lorsque un enfant vient au monde, il reçoit ces climats froids peut-être peut le déranger. Donc le tahnik peut l'aider dans ces cas. Le tahnik aussi euh, aide l'enfant beaucoup parce que le tahnik renforce les, les muscles de la bouche de l'enfant. Ça lui permet de mieux attêter le sein de sa maman lors de l'allaitement aussi, ça aide l'enfant beaucoup ou facilite pour lui le fait de faire sortir les mots ou les lettres quand il commence à parler. voilà l'islam qui nous montre ce que nous devons faire avec le nouveau-né. Donc, on fait le tahnik. Le tahnik a beaucoup d'avantages pour le nouveau-né. La troisième recommandation que nous devons exécuter pour le nouveau-né, c'est le fait de donner un nom au nouveau-né, le fait de gorger un animal pour lui, le fait de raser sa tête au septième jour. C'est-à-dire que le septième jour de l'enfant, le jour des baptêmes ou le jour de al dans ce jour-là, on doit faire sept choses principales. Ces choses sont quoi Premièrement, on doit donner un bon nom au nouveau-né. Bon, c'est vrai que le nom, c'est pas forcément que ça soit le septième jour. Non, on peut nommer l'enfant depuis le jour de sa naissance. Dès qu'il est né, on le choisit un nom. Mais souvent, c'est le septième jour qu'on annonce publiquement le nom de ces nouveau-nés. Donc, en islam, les parents sont recommandés de choisir un bon nom pour le nouveau-né. Le bon nom, c'est quoi C'est le nom qui a un bon sens. C'est le nom qui est bon. Lorsque l'enfant grandit, qu'il attend, on l'appelle avec ce nom, l'enfant même sera content parce que c'est un bon nom. Le bon nom, comme le prophète ce sont les noms qui ont rapport avec l'esclavage de Dieu. Par exemple, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Voilà les noms qui sont recommandés par le prophète salam. Après les noms qui sont reliés à l'esclavage de Dieu, aussi il y a des noms, euh, les noms des prophètes et des messagers, comme euh, Muhammad, Ahmad, euh, Ibrahim, Ishaq, Moussa, ainsi que les noms des compagnons, et les noms des savants, et les noms des pieux. Donc, le septième jour, la première chose que nous devons faire, la première chose que nous devons faire, c'est ça, de choisir un bon nom pour l'enfant. Puis, on doit euh, faire un sacrifice au nom du nouveau-né. C'est-à-dire, les parents doivent égorger deux moutons égaux si le nouveau-né est un garçon ou un mouton si c'est une fille. Parce que dans les hadiths du prophète, alayhi il a dit que chaque nouveau-né est otage de son sacrifice que on doit égorger pour lui au septième jour de sa naissance, puis lui donner un nom, puis euh, raser sa tête. Le prophète dit aussi, alayhi salatu wassalam, deux moutons égaux pour un garçon, un mouton pour une fille. Donc, c'est ça qui est recommandé. Donc, si tu as eu une fille, tu peux égorger un mouton. Si c'est un garçon, tu dois égorger deux moutons si tu as la capacité. Mais si tu n'es pas capable de faire deux moutons, ce n'est pas, pas problème de faire un mouton. Voilà. Euh, le sacrifice là doit être le septième jour. Mais si le papa trouve qu'il est pauvre, mais il est incapable de le faire le septième jour, il peut le reporter au quatorzième jour. Si le quatrième jour est venu aussi, qu'il trouve qu'il est incapable, en tout cas, l'islam a élargi ici et peut laisser jusqu'au jour qu'il est, il aura la capacité. Même si le papa n'est pas faire, l'enfant, lorsqu'il grandit, lui-même peut faire son baptême, peut, peut égorger euh, c'est deux moutons ou un mouton pour son nom. Et euh, la troisième chose est le fait de raser la tête de nouveau ce septième jour-là. Parce que les cheveux dont la est nu, ce sont des cheveux qui, portent beaucoup de maladies, qui portent beaucoup de choses qui font fatiguer l'enfant. Mais quand on rase la tête, vraiment, euh, la peau de l'enfant sera en l'aise l'enfant même sera en l'aise. Ça lui permet, ou ça permet à la peau d'inspirer. Vous voyez pourquoi l'islam nous recommande de raser la tête du nouveau-né. Aussi, quand on regarde euh, la sacrifice, le sacrifice, là, vraiment, le sacrifice au septième jour a beaucoup d'avantages aussi. Pourquoi Parce que quand on égorge deux moutons ou un mouton et on partage la viande, euh, euh, aux, pauvres, aux euh, misérables. Vraiment, c'est une sadaka pour les parents et pour le nouveau-né aussi. Aussi, bon, c'est un franchissement aussi pour le nouveau-né. Aussi, les gens vont venir le jour des baptêmes, ils vont faire dua, ils vont demander la bénédiction d'Allah pour le nouveau-né. Ils vont demander aussi pour les parents et pour tout le monde. Donc tout ça, nous voyons que vraiment le nouveau-né, les parents ont besoin de ces bénédictions et plus sommes. Et la quatrième chose et la dernière chose que nous devons faire pour euh, le nouveau-né comme recommandation, c'est la circoncision. Donc euh, la circoncision aussi euh, fait partie de, l'éducation en islam. la circoncision, c'est quoi C'est le fait de couper euh, la peau qui couvre le sexe du garçon. En tout cas, ici, nous parlons d'un enfant qui est garçon. Ce n'est pas sur une fille. Parce que euh, l'excision concernant les filles, bon, en islam, bon, c'est demandé préférablement, mais ce n'est pas forcément. C'est-à-dire que celui, euh, qui a eu un garçon, vraiment, c'est demandé forcément qu'il fait la circoncision. Mais l'excision pour une fille, non, ce pas demandé forcément. Celui qui voit que l'excision, bon, euh, peut arranger quelque chose sanitaire de, sa fille, il peut le faire sans problème. Mais celui qui trouve que, bon, il y a, c'est risquant, par exemple, par certaines maladies, il peut laisser. Ce n'est pas pour à cause telle chose ou telle chose, non, c'est pour notre religion. Donc, islamiquement, ce n'est pas demandé forcément qu'on fait l'excision. Mais la circoncision, là, ça, c'est demandé fortement. Mais c'est pas obligatoire que ça soit le jour du baptême, le septième jour. Non, ça peut être avant le septième jour ou après le septième jour même. C'est-à-dire, on peut faire euh, la circoncision du garçon le jour de la naissance, le deuxième ou le troisième jour, jusqu'au septième jour ou après ça. Mais ce qui est demandé obligatoirement, on doit faire la circoncision pour les garçons avant qu'ils atteignent l'âge de la puberté. Donc, euh, chaque garçon doit être circoncisé avant atteint l'âge de la puberté. Bon, ça aussi, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'avantages aussi sur la circoncision. Parmi ces avantages, les savants nous montrent que cette action-là euh, aide beaucoup euh, la propriété du sexe de l'enfant. Parce que la peau qui couvre le sexe-là couvre aussi ou apporte aussi beaucoup de saleté. Mais quand on coupe ça, ça va permettre beaucoup de faire euh, lavage et la propreté pour l'enfant. Deuxièmement aussi, euh, la circoncision protège l'enfant contre beaucoup de maladies, notamment euh, le cancer. Donc ça protège l'enfant contre ces maladies. Donc voilà, euh, quelques recommandations du prophète salam et des savants dont nous devons pratiquer pour euh, le nouveau-né. Vraiment, vous voyez que ces recommandations-là, d'abord, elles sont des actes d'adoration pour les parents. C'est-à-dire que le papa ou la maman ou les parents qui pratiquent ces quatre euh, ces quatre euh, recommandations-là vraiment accepte ce Allah les a ordonné. Elle fait la sunna du prophète au salam. Donc, premièrement, c'est un grand avantage pour eux pour faire des choses qui sont comptées parmi des actes d'adoration où ils seront euh, récompensés par, récompensés par Allah. Deuxièmement, ce sont des bienfaits pour le niveau né aussi. Parce que les évocations qui seront faites pour le nouveau-né, euh, le rasage de la, de la tête, et aussi euh, le fait de frotter la date dans la bouche de l'enfant, tout ça, bon, ce sont des choses euh, primitives pour l'enfant sanitairement et socialement. Donc, nous demandons à Allah de nous faciliter l'éducation de nos enfants et d'améliorer nos différents états. Nous demandons à Allah de bénir, de notre travail hein, et nous donner tout ce qui est bien, tout ce qui est bon dans ce bas monde et à l'au-delà.